ont beaucoup avancé. En plus euh, de ce qui est attendu, beaucoup de choses en supplémentaire a été faites et M. le ministre va y revenir certainement. En tant que maire de la commune de Yoff, j'aimerais remercier son excellence le président Macky Sall parce que en plus du PUDC, il a permis avec Promoville aux communes d'avoir effectivement des investissements qui seraient extrêmement difficiles de réaliser euh, avec le budget municipal. J'aimerais donc euh, féliciter euh, et remercier le chef de l'État en ma qualité de maire de Yoff et dire aux populations de Nord-Foire que notre ambition a été toujours de régler les problèmes, surtout les problèmes de voirie dans Nord-Foire. Et la ceinture de l'école japonaise a été toujours un problème, surtout pendant l'hivernage aujourd'hui, cette question-là est donc euh, derrière nous. Il y a bien sûr euh, un autre projet qu'on n'a peut-être pas regardé aujourd'hui, mais qui, est dans la, même veine et qui sera effectivement géré, accéléré par euh, donc, Promoville. C'est le projet de West Foire. Donc West Foire, Nord Foire, Djamalai, Cité Djilimbaï et autres, je crois quand même que Yoff a bénéficié de cet investissement assez important de Promoville. J'aimerais donc, Monsieur le ministre, vous remercier, vous féliciter et vous dire combien les populations sont vraiment donc touchées très favorablement par euh, cet investissement qui a transformé le cadre de vie. J'aimerais donc vous féliciter et vous remercier. Ça pourrait être euh, dans le cadre de la lutte contre les inondations à Oui, bien entendu, parce que euh, l'école japonaise était effectivement un point bas de euh, Norfoire et on ne pouvait pas y passer pendant l'hivernage. Et avec euh, ces infrastructures, euh, ces questions-là sont réglées. Donc oui, euh, Promoville non seulement a transformé le cadre de vie, mais nous a permis, nous a permis de régler des questions d'assainissement importantes. Monsieur le maire, que pensez-vous de la situation d'une ville comme Dakar Oui, ben, je, suis, je suis maire. Le ministre de la gouvernance, je crois qu'il faut plus regarder le fond que d'apprécier les questions d'appellation sur les questions de vote. maa euh, vraiment kontaan tey di donc euh, ñëw Andak, euh, monsieur le ministre Samba Yobenka, pour xool donc liggéey bu am solo bi xamante vraiment Promoville def na ko fii si Nord Foire ci biir commune Yoff daan taxaw demul demeewuloon nii te vraiment danañu tax non seulement population yi gis seen cadre de vie ñu amélioré ko considérablement mais li ëpp solo tam ñu war ko seetlu mooy que ne euh, buy taw problème yi ñu daan am yëpp dootuñu ko am loolu nag gis nañ ko fii si Nord Foire projet bi dem na Ouest Foire jàmmalay ak vraiment law na si Yoff man naa wax ne ñu ngi ko am kontaan en tant maire parce que li ñu fi def doon na jafe lool ñun ñu jël ko ak suñu budget municipal bon bu président jëlee euh, Promoville def ko ci ville yi jël PUDC def ko effectivement dans les communes à l'intérieur du pays vraiment loolu ñun dañ koy rafetlu parce que xawma fan mais bo ñëwee fi ci yow xamné Promoville est une véritable réalité de loolu vision au président de la République Je ñu aussi remercier di remercier monsieur le ministre parce que ñëw na def euh, donc le tour euh, du terrain

dañoo gëm acte 3 de la décentralisation dafa apporter une révolution la gouvernance territoriale révolution bi la communalisation intégrale révolution bi euh, un niveau département comme étant un niveau de coordination intermédiaire avec euh, suppression ou région en tant que collectivité euh, territoriale mais région en tant qu'instance administrative de décision avec les gouverneurs loolu mooy effectivement harmonisation au niveau national va dafa war bon nag bu ñu waxee jëmee Dakar man en tant que effectivement maire la commune bi xamante ne mën naa wax ne si commune est gën a ràññeekuloo si Dakar li ma mën wax rek que des questions de forme tour donc du loolu moo peu solo Le peu solo mooy lan lay def ak population yi lan moo si seen aspect fond yooyu yaakaar naa ne aborder adressé correctement bañ respect rek sur des éléments superficiels d'appellation bu fekkente ne li ñuy indi dafa nek lo xamantene mo moo gën ci population Dakar yi mais ñun loolu la japp jàpp yaakaar naa ne président Macky Sall du indi loo xamante ne day néewal doole Dakar lépp lu mu indi rek pour renforcer Dakar la pour defaral Dakar la pour donc jàpp effectivement Dakar mu gën a jëm kanam bon donc bu ñu rester rek sur ay considérations affectives lépp solo mooy xool njëriñu population yi lan lay doon ci mbir beaucoup